cette conférence de presse nous ko pour voir ci at at vivre fi ci mairie bi que at vivre vivre ci mairie bi ci gattal rek damay quelques points ci jaar-jaar point bi may bi may situation financière et institution bi gis cette année la direction des services techniques a été au premier plan de nos interventions toutes les directions sont importantes, mais au cœur de la mairie, il doit y avoir une direction de service qui peut porter notre matérialisation, notre projet de matérialisation. aussi pour wax ni waaw renforcement institutionnel municipalité bi loolu nag du géex mukk c'était un processus continu dinañ former ay agents dinañ leen capacité dinañ leen jox ay responsabilités dinañ promouvoir les méritants te mën a occupation espace public mais dama nous marquons notre engagement sans faille à mettre un terme à l'occupation anarchique de l'espace public on n'a pas le choix couleur budget bi 160 millions inscrits en assainissement mais c'est uniquement sur des travaux qu'on emprunte au niveau de l'entreprise en 2022 c'est une intervention qui éclairage liñ ci jéem budget de 15 millions en 2023 nous avons inscrit 150 millions en entier d'éclairage nous avons inscrit 30 millions en matériel électrique pour que nos services on s'est donné maximum deux ans pour que tout soit éclairé dans cette ville-là vous savez bien sûr certains disent que l'assainissement n'est pas une compétence transférée mais pour nous ce n'est pas important toute compétence non exercée qui impacte les communautés, pour nous, c'est notre compétence. Qu'est-ce qui, a été fait Nous avons fini de démontrer notre approche en, tant que municipalité par rapport à l'assainissement. Nous l'avons fait sur Tcholène, Pouyen, nous l'avons fait sur Goumir, nous l'avons fait sur Darochman avec beaucoup de réussite. Cette année, nous allons l'amplifier. C'est ce qui nous amènera à travailler, par exemple, bien sûr, sur, la tranchée de Misira, sur le caniveau qui est en face, de Bargan, en tant qu'intervention municipale, bien sûr aussi sur le caniveau qui sera mis aussi sur la route d'Arahman. Mais comme je le disais, cette intervention est fortement articulée à ce que l'État doit faire, surtout par rapport aux ouvrages primaires. Il y aura, forcément des, avancées, des insuffisances, mais notre engagement est sans faille, sans commune mesure. À chaque fois qu'on nous sentirons une insuffisance, nous sortirons d'autres instruments pour, être plus performants. Nous ne ferons aucune concession sur ce secteur-là.